formation mon moko yor au niveau de PASTEF moo yor l'école du parti bu mu tuddee Cheikh Anta Diop nga xam ni ku mu jege la inspiré wu la roy la donc mon boko joxé joxee euh, formation professionnelle jox nga ko lu mu lu liggéey et c'est c'est une très bonne chose et am nañu yaakaar ci ni dina dina doxal affaire yi euh, normalement. Mm, mm-hmm. amna solo alors keneen ki ci euh, topp moo di Daouda Ngom ministre de l'environnement et de la transition écologique. wa mom tamit euh, lu mu jàng la lu mu xam la te nit ñi xamuñu ko bu baax donc mom aussi am nañu yaakaar ni dina doxal ni mu ko waré donc li day wane rek ni. Ce n'est pas un gouvernement politique. C'est un gouvernement de technocrates, de compétences, de ressources humaines. Donc, euh, du gouvernement de récompense ou de partage. C'est un gouvernement de travail et d'efficacité. Donc, nous à Donc, étude d'impact environnemental, affaire de ministère de l'environnement euh, d'un interpellé parce que mon moi, volé, parce que Cheikh Diandier mm-hmm. mais environnement tam faut avec avec le ministère y compris mine pétrole gaz industrie y day le ministère de l'environnement ministère ministère d'importance am importance parce que dafa un transversal comme économie finance d'accord am hmm. Alors solo alors qui ki ci euh, top Mabouba, Mabouba Diagne ministre de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage Je donne le am solo aussi waaw qui c'est un capitaine d'industrie c'est quelqu'un qui a déjà réussi dans l'agriculture et l'élevage. Il a des fermes publicité. Mhm. mais il donc réussir dès lors d'Europe nous dañ fa doon dem di ci usine usines produire millions de poulets par an di di élever milliers par an. Bonopi noppi di bay di transformer di defar ay grandes surfaces ay supermarché ay endroit de stockage de conservation Bonopi noppi di former ay nit ay nit jogé nañu jël ñibiss nañu diaspora ñeu liggéey ci ay fermam suñu né ferme nak ferme avicole ganaar ci la bok, ferme bovine ay nak ak yoy ci la bok. donc yoy yep bonopi am ferme de reproduction manam nen bi nga xamni ne dafay toj pour nekk dañ koy importer lu bëri liñ daan importer moom am na lu bëri loo xam ne mu ngi koy produire fii loo xam ne dafay wàññi importation bi loolu à titre personnel la moom ba noppi dafa xam finance liggéey na ci ay banque yu mag yoo xam ne dafa doon administrer ay portefeuille ay pays am na benn banque bu nekk Afrique du Sud boo xam ne administré na fa six dëkk ak benn banque bu nekk euh, Suisse je crois non non Barclays administrer na fa neuf portefeuilles neuf de yu yu yu wute kon c'est un praticien de l'agriculture et de l'élevage parce que ministère de l'agriculture moo un élevage normalement je crois que c'est la personne habilitée pour moderniser son agriculture parce que Prodac il bu rafet la l'eau, mais échouer échoué le dimensionnement Et ak gestion dimensionnement parce que dafa nek 20 000 hectares pour dollars les nous bi 20 gérer hectares mm-hmm. euh bonopi baykat bi du nek propriétaire du sol des obligé nek ouvrier agricole day nek employé ci ferme Les xamné état wala privé mais si nous ni dañu réduire dimension bi 10 hectares 5 hectares ben groupement bokko groupement d'intérêt économique wala euh, section villageoise nous dañ ko mëna gérer propriétaire du sol nous avons les titres de propriété Nous, xam une garantie bancaire nous encadrons leen équiper pour nous am ndox am clôture am am ay ferme manam ay poulailler ay ay ay fuñu yéré sen seen nag yeeg ñom dinañ produire richesse que dinañ propriétaire donc loolu moy feuille de route bi normalement euh, je crois que mom dina mëna inspirer ay modèles yo xamni dañ koy appliquer de façon très pratique et très rapide parce que xamna métier donc mën na yaakar ci mom ni li nga xamne conseil local le euh, sénégal mais bien sûr parce que moi déjà son souci moy ñun pour faire des aliments dañuy importer 450 000 tonnes de maïs mhm. kon maïs il faut que nous le ko C'est l'objectif du PRODAC. objectif mhm. euh, product euh, domaine agricole il y mhm. a 100 000 tonnes de ko Si xam bu exporter 450 000 tonnes ben ben dak wara produire 100 000 tonnes rek gogo résorber na lu si Vous avez 4 produits qui produisent 100 000 tonnes, vous avez résolvé ça. vous avez une politique qui est très Je crois que les euh, aliments bétail, les aliments poussins, les ganaries, sont à 80% de maïs. Euh, mais même PDS, programme de gouvernance à vous euh, insigne PDS mbok la maïs. <laughs> maïs la maïs c'est très important parce que li ciy génn dafa bëri. Mhm. maïserie sax ay maïserie sax war nañ ko créer fii. Mhm. ay usines yoo xam des fabriquer ay produits dérivés de maïs war nañ ko créer fii pour nous euh, am ay filières. Mhm. ñu jëm ci transformation. donc mom am vision boobu déjà gis na ni dañuy importer plus d'un million de tonnes de riz donc riziculture mom mon na appuyer pour ñu yokk qualité suñu pour ñun ñu mën ko consommer parce que ñun préférons préférer riz importé parce que c'est de meilleure qualité. le traitement ak conditionnement rek la. donc euh, défaut yu nekk fofu dina ko mëna dina ko résorber donc na mëna jappalé secteur bi bu baax parce que lu mu xam la. quel est solo mm. alors pour ki ci Ibrahim ministre de la santé et de l'Action sociale. waaw moom tamit euh, c'est un professionnel de la santé euh, ku xam secteur de la santé donc euh, c'est c'est un professionnel de la santé donc c'est des figures qui ne sont pas politiquement marquées rupture rupture d'abord dans le nombre 25 mais dans les profils aussi bon il coalition mais faut mettre les profils qu'il faut parce que il y a le défi du développement et de la demande sociale. kon mu mel ni li nga xam ne mooy yu Ousmane Sonko doon euh, joxe ci seen clôture euh, campagne bi doon na mm. lu mu dëggal parce que newoon na amul benn paaru gato bu ñuy jox kenn képp koo xamante ne ñu ngi lay tànn rek. day mm. fekk poste bi ngay bin ñu lay teg foofu nga da nga mérito. dëgg la mm-hmm. waaw euh, mérite moo war prévaloir. Mm-hmm. plutôt que fidélité wala appartenance politique. am solo donc loolu am am solo la mm-hmm. rupture là. alors keneen ki ci topp. Maïmouna Dieye ministre de la famille et des solidarités. waaw ah, moom tam c'est une sœur je euh, ngi félicité féliciter aussi mhm. euh, donc euh, moom dina jëmmal au moins les femmes dans le gouvernement. Mhm. parce que nous bëri ñu ngi il y a pas beaucoup de femmes ou il y a pas assez de femmes mais moom à son poste famille et solidarité je crois que lu C'est la. am na solo mhm. keneen ki ci top Fatou Diouf, ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. Bon, je ne connais pas tout le monde, hein. mhm, mais toujours je fais confiance à l'équipe qui, les a, qui les a nommés. Parce que le ministère, bu am solo euh, pêche infrastructure maritime et portuaires. Mhm. Parce que nous, nous sommes dans une phase de développement de nos infrastructures portuaires. Mhm. Sendou amna port, Ndayan port. Donc je crois que même côté Sendou, nous avons